The forum the forum, the forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum du studio Calam le forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au forum hebdomadaire de la presse du studio Kalangou dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de, désormais 34 radios partenaires qui diffusent en direct les programmes du studio Kalangou. Chers auditeurs, comme chaque vendredi, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par L'attaque dans la nuit du lundi 22 janvier 2018 d'une opposition de la gendarmerie nationale faisant un mort et un autre blessé dans le village de Kokoluku, non loin de la frontière avec le Burkina Faso, dans le département de Torodi. Au plan médiatique, notons la nuit passée à la police, à la police lundi dernier du directeur de publication de l'hebdomadaire Le Canard en furie pour euh, diffamation. Au tribunal, début du procès des militaires présumés impliqués dans l'affaire dite euh, du coup d'État de décembre 2015. Sur le, front, sur le plan social, euh, les mesures prises par le gouverneur de la région de Niamey pour euh, la fermeture de certains lieux de distraction et celles sur les jeunes filles qui s'adonnent à la débauche euh, dans les rues de Niamey. Et enfin, une autre mesure, celle de la suspension de l'accord de transfert de la main-d'œuvre nigérienne vers l'Arabie saoudite. Avec nous euh, en ce moment pour analyser euh, ces thèmes, un euh, sujet d'actualité nigérienne, Issa Ousseini, journaliste indépendant. Issa Ousseini, bonsoir. Bonsoir, comment ça va avec nous également Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision en Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, Nous attendons d'un moment à l'autre Jafar Mamana de l'hebdomadaire L'Indépendant Plus qui doit être en route en ce moment. Un gendarme a tué et un autre blessé, c'est le bilan selon le maire de Torodi, interrogé par le studio Kalangou de l'attaque menée par des inconnus contre des gendarmes au niveau du village de Kokoluko, frontalier euh, du Burkina Faso. Une attaque perpétrée dans la soirée du lundi 22 janvier 2018. Le village est situé à 115 km du chef-lieu du département des Torodi, région de Tilaberi. Écoutons Ibrahim Jibo, le maire de Torodi, que nous avons interrogé juste après sa visite sur les lieux du drame. C'est bien vrai, il y a eu une attaque. Donc le bilan est soldé par un gendarme qui est un gendarme blessé évacué à l'hôpital de Niamey. Et en réalité, personne ici parmi nous, en tout cas à l'heure actuelle, mais peut vous dire voilà comment exactement ils se sont introduits là-bas. Tout ce que nous savons, c'est qu'au-delà de 22h, 23h, nous, des coups de téléphone nous ont réveillés comme quoi les gendarmes sont attaqués à Kokolo. En tout cas, dans le village, il n'y a aucun civil blessé. À l'heure actuelle, le calme est revenu. Hein les gens voient normalement leurs occupations. Une opération est lancée parce que tout le monde est à la recherche des informations. Il faut que vraiment les gens se donnent des informations pour pouvoir les localiser. Quoi. Donc c'est un appel que vous vous lancez à l'endroit de la population. Vraiment, et de la population nigérienne comme de la population burkinabé parce que c'est la frontière là-bas. Issa Ouseni, journaliste indépendant, encore une autre attaque attribuée à des individus non encore identifiés à Kokoluko. Quel commentaire après avoir écouté le maire de Torodi Bon, merci Mokhtar. <clears throat> Et par rapport à ce type d'attaque-là, moi je considère quelque part qu'il ne faut pas se faire d'illusions ça va continuer. Quand on mène une guerre asymétrique, parce que ces individus, ça peut être des bandits, comme ça peut être des, comment veux dire, euh, des éléments djihadistes et terroristes, il faut toujours s'attendre à ça. Euh, il n'y a pas de mécanisme pour pouvoir véritablement gérer. La collaboration, j'ai entendu le maire dire il faut collaborer certainement que les populations sont prêtes à collaborer, mais c'est la garantie par rapport à l'assurance. Est-ce que quand les gens vont accepter de collaborer, à ce moment, on peut leur garantir une certaine sécurité. Voilà tout le problème tel que ça se pose. Hein. Les gens, ils sont prêts à collaborer, mais les gens ont peur aussi parce que quand vous dénoncez, parce que souvent les gens qui posent ces actes-là, c'est des gens qui vivent avec les populations locales. Ce pas des gens qui viennent, ils viennent d'ailleurs, mais ils sont au sein des populations locales et quand ils décident de passer à l'acte, ils vont passer à l'acte. Maintenant, comment peut-on faire en sorte que les gens soient dans une prédisposition d'esprit pour pouvoir collaborer efficacement avec les populations on a fait venir des forces étrangères, tout ça. On dit, on cherche aujourd'hui ceux qui ont posé l'acte. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y a plusieurs pays qui sont menacés par ces menaces-là qui sont touchés par ces menaces. Excusez-moi, il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Nigeria et un autre pays. Mais tout au niveau de toutes ces frontières-là, c'est des frontières poreuses qu'on n'arrive pas à contrôler. Comment peut-on arriver à faire en sorte que quand des gens rentrent, même quand ils perpètent un acte, qu'on puisse les neutraliser avant qu'ils n'arrivent à prendre la fuite Toute la difficulté est là. Maintenant, il faut peut-être réfléchir à des mécanismes pour pouvoir faire en sorte que quand, quand, il y a des attaques, que la personne qui a perpétré l'attaque ne puisse pas prendre la fuite. Malheureusement, on n'est pas arrivé encore à ce niveau on est tout le temps en train de poser des actes, euh, comment veux-je dire, euh, montrer qu'il faut forcément quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez suivi ce matin, j'ai suivi le président, et je sais plus le président, qui, qui disait que d'abord la défense, c'est d'abord soi-même. C'est d'abord soi-même localement. Quand on veut défendre en matière de sécurité, quelqu'un ne peut pas assurer ta sécurité. C'est toi qui dois créer les conditions pour que ta sécurité puisse être assurée. Mais quand tu vas compter sur quelqu'un, il faut. C'est ça donc la collaboration selon lui. Des populations, bien entendu, les populations locales. On a connu à l'époque de Kunche où les populations, quand quelqu'un pénètre le territoire, quand c'est quelqu'un de suspect, avant qu'il n'arrive déjà dans une localité, les gens sont déjà informés qu'il y a un étranger suspect qui est là. Et les dispositions sont prises pour que le monsieur, à une certaine étape, on puisse le prendre pour savoir ce qu'il est venu chercher. Mais malheureusement, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. La personne peut rentrer, arriver juste dans les grands centres urbains, poser l'acte qu'il a décidé de venir poser et puis s'en aller, malheureusement. Issa Madougou, journaliste au groupe de presse à Ténéré. Excusez-moi, ce que je veux dire, tu, oui, voilà, c'est le ministre des Affaires étrangères algérien. Je l'ai suivi avec Christophe Boisvouvier ce matin. Il dit non, la, sécurité, ils ont géré ça chez eux. Ils ont géré, mais on ne veut pas parce qu'ils voulaient savoir pourquoi eux, ils ne se mettent pas dans la même logique que les pays des G5 Sahel. Il dit non, eux, ils font leur travail à leur niveau et ils contribuent à assurer la sécurité des pays du Sahel à leur façon. Mais pour eux, pour lui, c'est que chaque pays doit faire l'effort de défendre d'abord ses concitoyens. Issa Dougou du, groupe de presse à Ténéré, avez-vous d'autres précisions sur ce qui s'est produit à Kokoluko Car jusqu'à mardi, il n'y avait pas d'informations précises sur comment et qui a perpétré cette attaque. Merci Mokhtar. Tout d'abord, euh, on peut dire c'est on ne peut que déplorer ces attaques qui, après celle euh, de Tumor. donc euh, on, est, on a quitté l'Est, on est revenu à l'Ouest, encore une zone d'insécurité qui fait face à une insécurité criarde depuis quelque temps, parce que c'est une zone frontalière au Burkina et au Mali qu'on connaît qui n'arrive pas à avoir une sécurité vraiment permanente. Donc, c'est comme toutes les autres attaques qui se sont déroulées sur notre territoire, qui ont endeuillé des familles nigériennes, de, de, de forces de défense et de des familles des civils. Bon, il n'y a pas assez d'informations qui filtrent. Et moi, je pense que parfois, il faut donner l'information qu'il faut pour que les gens puissent se situer par rapport à ce qui s'est réellement passé. Mais tout de même, euh, je crois bien que ce, ce, cet acte à Kokorou devrait interpeller par rapport à la recrudescence ou à une résurrection des attaques euh, contre nos forces de défense et de sécurité depuis un certain temps. On a connu une année, une fin d'année d'accalmie en 2017. Maintenant, dès le début de cette année 2018, on recommence. Euh, pour le nord, pour le pour le cas de la région de Diffa, on peut comprendre parce que c'était prévisible et c'est ça que les, aujourd'hui, ceux qui sont chargés parfois au plus haut sommet devront ne pas négliger certaines informations. Parce que ce qui s'est passé à tout vous vous souviendrez que sur le territoire nigérien, euh, vers le 30-31 décembre, il y a eu une attaque d'une base militaire et que les éléments de Boko Haram se sont emparés de beaucoup de matériel de guerre. Donc c'est ce qui explique le plus souvent la fureur feu, ce qui s'est passé à tout le monde. Les gens se demandent comment ils ont pu brûler des, des chars. Mais, dans l'ouest euh, du pays, comment des individus puissent euh, se déplacer avec des armes euh, sans que personne ne la dénonce la des frontières. Parce que cette région même, les attaques ont commencé. hier, il y avait, comment on appelle, un véhicule de transport de, de voyageurs civils qui a, qui qui a été sauté, qui a sauté, qui a sauté sur, sur, mine. Euh, des mines. Euh, c'est pas quel genre de mines parce qu'il n'y avait pas eu de survivants. C'était des Burkinabés, des Maliens commerçants qui partaient à un marché hebdomadaire. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la situation n'est pas encore stable. Mais on ne cesse de lui dire, la collaboration, mais comment faire collaborer des gens, des populations, tant que ces populations ne se sentent pas en sécurité par rapport aux différentes politiques mises en œuvre pour leur sécurisation et de leurs bien. Tant que vous ne vous sentez pas en confiance et vous ne vous sentez pas en sécurité, vous ne pouvez pas collaborer parce que c'est ce lien-là qu'il faudrait C'est pour cela que je salue l'acte que je, vois en train d'être posé au niveau de l'opération Dongo, excusez-moi, dans le département de Walam on voit des actions vraiment euh, euh, qui sont en train de poser, comme les dons, les séances de, prise en charge des cas de maladie par l'armée. Tout ça, Vraiment, c'est des actions qu'il faut encourager parce que ça permet aujourd'hui de créer une synergie et un partenariat entre population civile et forces de défense et de sécurité. Et cela aura pour conséquence quelque chose de salutaire, une bonne collaboration, l'information à temps. Et c'est ça, c'est à partir de ça que nous pouvons vraiment arriver à maîtriser cette situation vraiment qui aujourd'hui est en train de, plomber beaucoup de projets de développement parce que tout l'argent, quand vous prenez le budget, est injecté dans la sécurité pendant que les secteurs sociaux de base sont délaissés. Donc il faudrait encore plus d'efforts de, de, euh, pour que vraiment nous arrivions euh, à, la, à bout, de, de ces terroristes. Le directeur de publication de l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, Haroun Yakuba, a été interpellé et gardé à vue lundi dans les locaux de la direction de la police judiciaire de Niamey où il a passé la nuit. Selon son avocat, maître Boubacar Amadou, il est poursuivi par le ministre d'État Albadé Abouba pour diffamation. Dans, dans sa parution du 15 janvier dernier, le journal a épinglé cette personnalité dans la gestion des fonds alloués pour la fête nationale organisée en décembre 2014 à Dosso. Ce dernier étant l'organisateur en chef, Issa Madougou, euh, du groupe de presse Ténéré. Comment analysez-vous cette nouvelle affaire impliquant un journaliste et un homme politique euh, ben, écoutez, moi je pense qu'il faudrait encore euh, réexaminer ces genres de situations qui, qui se répètent le plus souvent avec lucidité. Euh, moi j'ai vu l'article en question, je l'ai un peu parcouru et à la, à la prochaine parution du journal, j'ai vu un rectificatif de la rédaction qui dit que voilà, ils se sont trompés, donc c'est là. Mais malgré quand même, il y a eu une plainte du, concerné, du, ministre en question. du ministre en question, qui par après a retiré sa plainte, qui a de, donné comme lieu suite la libération de notre confrère. Je crois bien qu'il faut saluer sa libération et, puis la sagesse du, du, plaignant qui a retiré par après sa plainte. Mais tout de même, il faut que nous aussi, nous soyons vraiment responsables de ce que nous sommes en train de faire. Il faut rectifier, il faut vérifier, il faut vérifier, vérifier encore, vérifier nos sources d'information pour pouvoir écrire. Il ne faut pas que nous soyons et que parce que moi le rectificatif dans le prochain numéro m'a un peu tiqué. C'est que le journal a publié et l'article sur euh, l'article précédent, c'est comme si on sent qu'il n'y avait pas eu vraiment un travail de, de, recherche, un travail qui permet à ce que donner toute la véracité des faits, une, une, certaine consistance à, l'article qui n'existait pas. Donc moi je pense que nous aussi, nous devrons vraiment parfois mettre notre responsabilité et à rude épreuve en faisant notre travail en vertu de l'éthique et de la déontologie. Sans pour autant se regarder, il ne faut pas être émotionnel. Moi, je pense que eh, il faudrait faire être vigilant par rapport à ce que nous sommes en train de faire parce que notre travail au Niger, malgré qu'aujourd'hui la presse nigérienne se trouve dans une situation qui n'a pas de qualificatif parce que les journalistes, la majorité, nous aujourd'hui, journalistes, nous faisons plus ce, travail de journaliste. Il faut, c'est pour cela, nous avons besoin encore. C'est vrai, en 2010, il y a eu les états généraux de la presse, mais des états généraux de la presse doivent être organisés pour qu'aujourd'hui nous faisons notre propre euh, euh, euh mea culpa, qu'il y ait ce tribunal pour que nous puissions orienter la presse nigérienne dans la bonne direction. Il ne faut plus que nous continuions à dégringoler, que nous serons encore à la base de notre chute dans les classements hein, par rapport à la liberté de la presse. Je rappelle euh, à nos auditeurs que le directeur de publication de l'Indépendant Plus, Jafar Maman, vient de nous rejoindre dans ce studio. Hussein Issa, journaliste indépendant, Haruna Yakuba a été libéré le lendemain après une nuit à la police parce que le plaignant a retiré sa plainte. Euh, Issa Madougou l'a rappelé, mettant ainsi fin à la procédure. C'est tout de même un peu rare. Comment l'expliquer mais Vous avez dit diffamation. Mais à ce que je cherche, c'est que <laughs> l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse euh, de, de 2010 euh, a quand même, euh, par rapport à un certain nombre. Baliser le terrain A baliser le terrain. Moi, j'aurais bien compris qu'il soit interpellé pour autre chose, mais pas par rapport à une question de diffamation. Parce que tout simplement, si on le prend, on le met en machin, on le prive de sa liberté, nécessaire, ce qu'il nuit, ça veut dire qu'il y a problème. Ça dit que de plus en plus, on veut arriver encore à la situation d'antan, pendant qu'il y a des dispositions qui sont là, qui disent que par rapport à une question de diffamation, on ne dit pas qu'il n'y a pas de poursuite devant les tribunaux. Hein. Mais le journaliste n'ira pas en prison. C'est que c'est la citation directe où le journaliste va se retrouver, il va aller se présenter physiquement. Maintenant, c'est des amendes qui vont être prononcés. À l'issue, même quand il est condamné, c'est des amendes qui vont être prononcées. Malheureusement, on est en train de quitter ce terrain-là pour mettre des journalistes en prison. Bon, ce n'est pas une question de prêter le flanc. Quand vous sentez que vous êtes diffamé, pour moi, c'est que vous soyez en mesure de dire, bon, on va aller en procès on va en procès. Maintenant, quand je suis condamné devant un juge, par un juge, on me condamne. Mais c'est pécunier. Ce n'est pas une affaire de mettre quelqu'un à la détention parce que moi je suis toujours contre la détention, même la détention préventive là, tout ça. Parce que tout simplement, c'est ça, les gens profitent pour glisser. Il a été libéré, on ne sait pas dans quelles conditions les choses se sont passées, mais toujours est-il dit que je suis heureux qu'il soit aujourd'hui libre qu'il ait recouvert, sa euh, liberté. la liberté. Mais une chose est sûre, c'est que vraiment, il faut, il faut essayer de voir les choses. Il faut essayer de voir les choses. Ça aurait été un citoyen lambda. Un citoyen lambda, il va pas être euh, inquiété. On va les laisser libre. Il va aller devant le, le juge. Chacun dans une posture libre. Et quand tu as le procès ou machin, même le début de procès, chacun va retourner on va les appeler, prendre notre jour, mais on voit un peu la situation. Mais maintenant, bon, je ne sais pas, je n'ai pas pu lire l'article en question, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais toujours est-il dit que moi, je suis contre cette façon, parce qu'on empochonne le de pouvoir prendre quelqu'un, on porte plainte et puis on cherche la personne, on va, on l'amène à la police par rapport à un journaliste. En matière de diffamation, il y a, c'est pas tout qui a été dépénalisé. Il y a, il y a des dispositions, il y a, il y a des actes, il y a des, des violations qui peuvent amener en prison. Mais dans des cas de diffamation, moi je considère qu'on n'a pas à prendre le journaliste comme machin, on le dépose et puis on va trouver un arrangement par la suite et puis on remet la personne en liberté. Jafar Mamana de l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, en matière de diffamation, il est interdit, Issa Ouseni l'a rappelé, de priver un journaliste de ses mouvements. Euh, c'est ce qui dit en substance la loi du 4 juin 2010 en son article 67. Comment interprétez-vous ce fait en tant que journaliste indépendant et défenseur de la liberté de la presse Merci Mokhtar. Je pense que c'est un débat euh, qui nous revient chaque fois, à chaque fois, euh, chaque occasion euh, d'un procès ou d'une plainte contre un journaliste. On constate que l'esprit de, la loi et de l'ordonnance de 2010-035 est, est, ignoré. est ignoré ou mis à, à l'épreuve. Moi, je préfère les dire mis à l'épreuve parce que je pense qu'on a organisé avec, euh, euh, au niveau des associations socioprofessionnelles de médias, on a organisé trois à quatre activités où on interpelle les, des magistrats et des anciens procureurs pour venir nous expliquer la limite, la, limite de la, de la, euh, de la garde à vue et, du mandat de dépôt. Euh, malheureusement, on s'est toujours quitté à, à, couteau tiré, comme on dit ou pour eux, le spécialiste de, de, droit, nous disent qu'il euh, y a limite entre les deux. La, garde à vue relève de la procédure de l'enquête judiciaire au niveau, au, au niveau de l'OPJ, de l'officier de police judiciaire. Et que le mandat de dépôt, c'est ça l'action du juge. Et que si ce n'est pas le mandat de dépôt, ça veut dire qu'on n'est pas en violation. Nous, nous avons estimé qu'on devrait niancer. Donc, le, donc le, le texte en question euh, a des, insuffisances. A des insuffisances. Et cette insuffisance a amené même à, le, le, le le ministère de la Communication, le Conseil supérieur de la Communication, la Maison de la Presse et les associations à, se réunir il y a quelques mois et un comité a travaillé pour cette fois-ci euh, bloquer toute euh, et d'inclure même la garde à vue. Maintenant, je pense que le débat qui est, c'est de nous amener à mettre l'accélérateur pour que ces textes révisés soient très vite adoptés euh, par le par l'Assemblée pour que qu'il n'y ait plus même euh, euh, de fissures qu'on peut exploiter pour dire que non, les deux ne se retrouvent pas. Mais franchement, Issa l'a dit, il faut que nous aussi, on, on, soit, davantage responsable. Davantage responsable. Mais surtout, quand il s'agit de l'investigation, puisque c'est un domaine extrêmement compliqué, il faut euh, une certaine acidité, il faut une certaine expérience. Et un certain nombre euh, de pragmatisme. voilà, donc vraiment, il y, a, il y, a, toute une question, il y a toute une matière. Moi, j'ai dit à chaque fois que ce genre d'occasion se pose, c'est une matière pour nous et pour tous les démocrates et défenseurs des droits de l'homme pour se réunir et faire un combat qui puisse avancer la démocratie, qui puisse avancer euh, au-delà de la liberté euh, de la presse, mais la liberté d'expression. Une autre affaire, c'est le procès euh, cette semaine à Niamey du procès euh, des personnes impliquées dans l'affaire dite de complot contre la sécurité de l'État fin 2015. Trois exceptions avaient été soulevées par les avocats accusés euh, des, exceptions rejetées par le tribunal occasionnant le départ de la partie défenderesse qui a préféré déserter les lieux suivis d'un point de presse. Selon ces avocats, le Code de justice militaire est liberticide et contraire aux règles élémentaires des procédures pénales. Maître Samna Aliou, au micro de Gungu Mohamed Dantani, explique. Lorsque dans un procès, il y a absolument une disproportion dès l'entente du procès, dès le commencement du procès. Les règles de procédure les plus élémentaires qui garantissent le contradictoire, qui garantissent les droits de la défense à partir du moment où ces règles-là ne sont pas respectées par une des parties, et à partir du moment où la juridiction de jugement soit se dit impuissante face à l'inertie d'une des parties, à l'occurrence le commissaire du gouvernement, si des avocats acceptent les défendre dans ces conditions, je pense que par rapport à leur serment, ils ont apprécié ce gouvernement et c'est simplement le problème de leur conscience. Comme l'a dit donc le bâtonnier Batier, nous sommes sortis parce que les conditions légales ces conditions normales n'existaient plus. Issa Ousseini, journaliste indépendant, que retenir de cette déclaration des, des, avocats Je commence d'abord par me, me réjouir du fait qu'au moins il y a un début de procès. On ne sait pas. Normalement, c'est aujourd'hui que ça doit, en principe, prendre fin. Les débats, les discussions, c'est aujourd'hui euh, que ça doit normalement prendre fin. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est déjà une bonne chose. Maintenant, quand des avocats, parce qu'ils sont là pour défendre des clients, quand ils soulèvent des exceptions, en principe, bon, on doit en tenir compte. En tout cas, si c'est des exceptions qui sont, en tout cas, qui sont, qui tiennent la route, on doit en tenir compte. Si on n'en tient pas compte, moi, je peux pas entrer dans ce débat-là parce que c'est pas un débat euh, à mon niveau. Moi, <laughs> c'est pas, un débat civil, là. Hein. civil. Mais toujours est-il dit que, en principe, c'est comme ça que les choses devaient se passer, mais malheureusement, ça a continué le procès. Le premier jour, ils ont quitté. Le deuxième jour, ils sont revenus, à ce que je sache. Le troisième jour, aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner, mais toujours est-il dit que c'est des spécialistes, c'est à eux de savoir exactement quelle est la posture qu'ils doivent observer par rapport aux interventions, par rapport aux décisions qui sont prises par le tribunal. Issa Madougou, du groupe de presse Ténéré, que pensez-vous du comportement de ces avocats parce que leur procédure risquerait de faire traîner encore le procès Bon, écoutez, moi, ce que je peux retenir, c'est la deuxième fois que je fais ce constat de ce genre de situation. Je me rappelle euh, dans le procès de supposition d'enfants, le procès en appel au niveau de la cour d'appel, il y a ce même problème qui s'est posé parce que les, ils ont soulevé des exceptions et ils estiment que on n'a pas pris en compte ces exceptions, donc euh, ce qui veut dire que leurs craintes, euh, leurs clients ne seront pas jugés dans le respect des dispositions légales. Donc je peux dire que d'abord, c'est comme je vais emboîter Ousseini, après deux ans de détention, c'est déjà un début. C'est un début qui vraiment qui soulage surtout les familles de ces gens qui sont incarcérés depuis 2015, après deux ans de détention, qu'il y ait un procès. Mais quand même, on le cesse de le dire. Moi, je ne peux pas, je, je ne connais pas un peu le fond, mais quand même, je peux dire qu'il y a une chose. Quand il y a ce genre de, de, de, de surtout l'accusation atteinte à la sûreté de l'État, parce qu'on dit c'est l'affaire de coup d'État, voilà des gens qui ont tenté, voilà un coup de force contre le président en exercice, un président démocratiquement. Tout le monde sait que ça a été vrai, c'est interdit. La loi a des dispositions très précises par rapport à ça. Il faudrait dire que euh, le début, c'était bien. Mais quand même, il faudrait créer les conditions pour que, que ce soit la partie civile, euh, comme on appelle, euh, euh les, les, accusés, les, les présumés, et, et leur euh, euh, défense puissent se sentir que toutes les conditions sont créées pour qu'il y ait un procès crédible et que cela va réconforter non seulement même l'opinion nationale et internationale pour dire que notre pays vraiment c'est un état de droit, qu'en cas de procès, il n'y a pas de crainte. Dès qu'une des parties soulève des exceptions, on prendra en compte, on va l'examiner et on va continuer le procès dans de bonnes conditions et pour que justice soit faite. Jafar Maman du journal L'Indépendant Plus. Aux dernières nouvelles, nous aurions appris que le procureur du tribunal militaire a requis 20 ans de prison ferme contre le général Salou Suleiman et le lieutenant Awal Ambali parce qu'il serait les cerveaux de cette affaire. Comment imaginez-vous la suite de cette affaire <clears throat> Oui, euh, c'est très compliqué pour, euh, euh, des officiers euh, qui ont servi l'État et qui ont servi le, le, le, pays, comme on dit, et qui se retrouvent dans cette situation, vraiment, je pense que c'est assez difficile et, certainement incompréhensible pour, pour beaucoup de Nigériens. Mais ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut souhaiter, et Issa euh, l'a abordé, c'est euh, qu'il y ait que ce procès-là soit le plus propre le Niger a connu assez de coups d'État euh, <laughs> euh, euh, exécutés et de coups d'État avortés et de coups d'État dits tentatives et qui ont laissé les Nigériens sur leur soif sur beaucoup d'aspects. Je pense que c'est l'occasion de, à la justice militaire de prouver que le Niger peut se retrouver dans une phase, dans une fenêtre douloureuse et, comme on dit, repenser les plaies. C'est-à-dire faire un procès qui puisse au besoin de, de, de, l'application de la loi, euh, libérer ceux qui ne sont pas coupables et peut-être essayer de voir ceux qui sont euh, coupables. Mais euh, dans le chemin actuel, je pense que euh, le tribunal militaire n'est pas le tribunal euh, civil. Il y a beaucoup de complications, ce qui fait que vous avez vu, en tant que journaliste, on a des difficultés à aller sur ce terrain-là et savoir comment la procédure se passe et comment elle doit être. Moi, je pense que le Niger est à un tournant, ce tribunal-là est à un tournant de se racheter et de donner une image d'une démocratie. Autre aspect de ce forum, au cours d'un conseil des ministres euh, du 19 janvier 2018, la ministre de la Population, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a fait une communication sur les jeunes filles mineures en situation de débauche dans la ville de Niamey. À l'issue du conseil, elle, a été instruite pour prendre les dispositions idoines euh, pour la réinsertion socio-professionnelle de cette couche vulnérable de la population. Déjà, euh, euh, déjà le 16 août 2017, le gouverneur de la région de Niamey avait pris la mesure de fermeture lieu lieux de distraction tels que la pilule et d'annoncer euh, des mesures contre les jeunes filles qui s'adonnent à la prostitution dans les rues de Niamey. Giafar Maman euh, du journal Indépendant Plus, aviez-vous d'autres précisions sur ce qui, est fait euh, par ces représentants des pouvoirs publics pour réduire la débauche à Niamey Oui, moi je pense que déjà il y a quelques actes Qui ont été posés notamment la, fermeture de, de, de, la pilule. Et de l'autre côté, on sait que depuis un certain temps, la prostitution et après les, acteurs de la prostitution sont appréhendés, sont appréhendés sur les espaces publics. Euh, ce qui fait que euh, moi je vois plus euh, aller. il n'y a pas que de mesures temporaires qu'il faut faire, mais il faut aller au-delà des mesures au-delà de l'introduction et de savoir quel, quel, est le motif qui conduit ces jeunes à cette prostitution. Moi, je pense que c'est un phénomène social comme tant d'autres euh, phénomènes qui conduisent à des débauches. Il n'y a pas que la prostitution, il y a la consommation de, de, stupéfiants, de drogue, il y a qui conduit au vol, au crime, et il y a tant d'autres mots qui minent la jeunesse nigérienne, qui, tant pas euh, du côté de la jeune fille que du côté du, jeune garçon, mais ça demande, ça demande beaucoup de réflexion. Et ce travail ne peut être conséquent que si on implique les éducateurs, les responsables religieux et coutumiers, et pourquoi pas la première école que la famille. Mais tant que c'est des répressions, c'est tout juste désorienté ou euh, d'un espace, on oriente ces acteurs-là vers d'autres. On le voit en Europe où on voit en France, par exemple, où la loi qui interdit la, prostitution condamne et euh, les deux acteurs de la prostitution, c'est-à-dire et la, la, jeune, et la, la fille, puisqu'il y a une amende pour celui qui, qui, euh, paye le service d'une prostituée. Donc je pense qu'il y a beaucoup. Ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est n'est pas l'amende, puisque quoi faire avec l'argent de, l'amende, mais c'est aller à la, à la, source. C'est bien indiqué que le ministère de la Population puisse s'intéresser à ce phénomène. Mais vous voyez bien aujourd'hui, quand vous retournez dans, tant d'autres délits, que, par exemple, de euh, des phénomènes comme la mendicité aussi grandissante, où elle est devenue l'apanage de toutes les couches sociaux, euh, social du Niger, euh, des phénomènes qui, euh, il y a quelques années, vraiment c'est très rare. Il faut être en difficulté, bien en, nécessité pour aller mendier. Aujourd'hui, on estime que c'est même une sorte de, de, sport favori de certaines. Issa Madougou euh, du, du, du, groupe de presse Ténéré, euh, peut-on s'attendre à un grand changement ou existe-t-il des moyens efficaces contre cette dépravation des mœurs rapidement Mais écoutez, Mokhtar, soyez sérieux dans ce pays. Vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça sans analyser les le les, causes. les causes du phénomène. C'est ça. On peut, plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. Il y a l'éducation, la pauvreté et aussi cette, euh, cette manière où la société est en train de, prendre une nouvelle tournure dont nous sommes en train de perdre nos propres valeurs communautaires qui dit, parce qu'au Niger, c'est le cas de Ingalewa, des enfants et des femmes sont enlevés, personne ne s'intéresse. C'est-à-dire dans nos communautés. Personne ne s'intéresse. Il y a la presse qui s'intéresse, il y a les citoyens qui s'intéressent. Oui, tout à fait, mais quand même, c'est ah, oui, l'échelle quand même, si, si on peut essayer de. Écoutez, l'enfant, c'est pour toute la communauté quand l'enfant se comporte mal. Moi, je me rappelle quand on était enfant. C'est-à-dire, on n'a pas, quand on commet des bêtises, on n'a pas besoin d'être à la maison pour être corrigé. C'est les voisins, c'est les gens, les aînés qui nous corrigent. Mais aujourd'hui, ce problème social, c'est tout le monde qui devrait analyser les facteurs. Il y a un problème d'éducation, il y a un problème de pauvreté. Mais le ministère de la Protection de la famille et des Hommes, depuis sa création, ils, ils devront, c'est-à-dire, s'auto-diagnostiquer leur activité qu'ils ont fait pour voir quel impact ça a eu sur la jeune fille. On parle de la scolarisation de la jeune fille, le maintien de la jeune fille à l'école. Aujourd'hui, la dépravation des, des mœurs au Niger. Est-ce que c'est les mesures de répression qui, qui, font arrêter ce, euh, ce phénomène Je ne crois pas. Il faut essayer d'appréhender la situation d'une manière intelligente en proposant des pistes, des solutions, intensifiées. Si l'éducation ne marche pas, parce que ce n'est pas tout le monde qui est, professionnel. Il y a une professionnelle à travers l'artisanat, à travers euh, l'apprentissage. Hein. oui, l'apprentissage des petits métiers. Et donner aussi les moyens, parce qu'il ne suffit pas de former des gens et les laisser encore dans la nature. Quand même, il faut le minimum, même si c'est le matériel de travail que vous pouvez donner à la personne. La personne peut commencer à se débrouiller. Mais quand même, moi, je ne pense pas que la répression, comme l'a dit Jafar, la répression risque d'orienter ces mêmes acteurs vers un autre lieu. Donc, ce qui veut dire au finish, c'est-à-dire il y aura le tour. la case départ. Oui, c'est un tour qui va, être en perpétuité vicieux. Hussein Issa, journaliste indépendant, recrudescence du phénomène de débauche des jeunes filles mineures à Niamey, comment l'expliquer À qui la faute selon vous mais... Tout hein, parce que la débauche, là, la prostitution, elle émane de deux personnes. que sont les enfants qui vont à la pilule Les enfants qui vont à la pilule, c'est à pied ils vont Hein C'est une question que je te pose. Est-ce que c'est des enfants de pauvres C'est dans des voitures de, de luxe, hein. grand standing. Ces enfants-là qui vont à la pilule, ils ont fermé, c'est des mesurettes. Ils savent bien d'où ça vient. L'autre forme de pression, c'est les enfants dont les parents n'arrivent pas à assurer la quotidienne, qui sont obligés d'aller se vendre parce que le parent n'a rien, la mère n'a rien, le papa n'a rien. Ils vont aller se mettre dans la rue parce qu'on n'a pas créé les conditions pour préserver les emplois. On n'a pas créé les conditions pour que l'enfant, quand il quitte le système, le, système éducatif, que l'enfant puisse trouver un autre système où on peut lui apprendre un métier où il peut gagner à manger. Voilà tout le machin du phénomène. On vient, on raconte, ah non, non, on a fermé pilule. Mais on a fermé qui allait à pilule Ceux qui vont à pilule, là, ils dépensent 100 000, 150 000, 200 000. En une soirée, machin, on a l'habitude de filmer des véhicules euh, comment vais-je dire faire des buses euh, faire euh, des, véhicules qui font qui oui des, des gens qui jouent avec des véhicules là. mais c'est qui c'est les c'est l'enfant du pauvre ce n'est pas leur enfant. Ils savent d'où ça vient. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas mettre fin à ça. Et que la meilleure façon de mettre fin à ça, parce qu'on ne peut pas mettre définitivement fin à la prostitution, y compris dans les pays occidentaux, là, ça continue, c'est le plus vieux médium au monde, la prostitution. On peut créer des conditions pour que, en tout cas, minimiser. Les enfants, créer les conditions pour que ces enfants-là créent parce que lui, Issa Madougou vient de le dire, il ne suffit pas de former. Quand on forme, on doit pouvoir donner les moyens pour que l'enfant qui est issu d'une formation, il puisse ouvrir son atelier. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Mais tant qu'il n'y a pas l'accompagnement là, mais même les gens qui vont à l'université, quand ils sortent aujourd'hui, ils font quoi Rien du tout. Depuis des années, mais dans les écoles les, centres de formation professionnelle, ils font quoi quand ils sont Absolument rien du tout. Ils se retrouvent dans la rue. Même ceux qu'ils ont appris à l'école, ils oublient. Ils oublient au bout d'un certain temps. Autre mesure, c'est la suspension de l'accord de transfert de la main-d'œuvre nigérienne qui lie l'État du Niger à l'Arabie saoudite début 2015. Euh, selon le gouvernement nigérien, les Nigériennes qui sont transférées en Arabie saoudite euh, seraient dans une situation préoccupante euh, rapidement. quelle lecture faites-vous de cette mesure de suspension de l'accord de transfert de la main-d'œuvre nigérienne vers l'Arabie saoudite comme, la, comme la précédente, il faut poser des questions. En l'acceptant, quelle, analyse le gouvernement a-t-il fait des, conséquences que ça, va engendrer Les Nigériens qui ne sont pas euh, de, de, de, néophytes de ce qui se passe dans ces pays-là ont alerté pour qu'il n'y ait pas cet accord. Le gouvernement, dit que jusqu'à ce que soit mis en place un cadre juridique, administratif et technique de nature à protéger euh, les travailleurs nigériens vivant en Arabie Saoudite. Mais comment un accord a-t-il été signé sans un cadre juridique je pense que, je pense que les parents de ces personnes-là devraient même euh, se constituer en, comité pour, pour en partie, justement, puisque comment un pays peut signer une convention avec un autre sans, aucune garantie juridique Et la preuve, c'est que on a vu les conséquences. C'est quand ça a commencé à, faire des buses sur les réseaux sociaux. C'est que les gens ont commencé, ceux qui sont là-bas ont commencé, ceux qui ont eu la chance d'appeler leurs parents et de dire voilà de, la misère vers laquelle je suis qu'on a commencé. C'est le prolongement de, la même procession. On sait que rapidement, c'est le médecin après la mort. Quand même, il y avait combien qui ont souffert, qui ont été rapatriés, elles ont été abusés par ceux-là qui devront les protéger, pour qui ils s'occupent de leurs tâches quotidiennes. Le gouvernement dit que non parce que cadre juridique. Mais donc, ah non, soyons sérieux. C'est un État. Comment un État peut signer avec un autre État une convention sans cadre juridique Mais on est où là mais vraiment, c'est pour cela qu'on se pose des questions que oh, notre. Il y a parfois le Niger, on ne le reconnaît plus. Le Niger d'aujourd'hui, on le reconnaît plus. Pendant que nos sœurs et nos frères sont soumis à une forme d'esclavage moderne, les gens sont, depuis combien d'années Ce n'est pas cette année seulement, hein, on a, on a depuis 2016. Des gens sont venus pour dire voilà ce que j'ai subi. On a minimisé. Mais même maintenant, moi je pense, je lance un appel à ce que si ces organisations de défense des droits humains, ils sont, eh, elles sont sérieuses, ces organisations, devront, même si ce cadre juridique a été vraiment institué encore pour revoir l'accord, devront se battre pour que cet accord ne prend pas effet parce que ceux qui sont en train de vivre nos sœurs et nos frères en terre eh, eh, saoudienne Vraiment, il n'y a même pas de mot à le qualifier pour des gens que nous considérons comme nos propres frères. Issa Ousseini, rapidement, 30 secondes. Une, seconde. On n'a qu'à faire revenir ce qu'on a fait partir là. Dans le cadre de cet accord-là, on n'a qu'à les faire revenir. Ah, Parce que que c'est pas compliqué. Mais ils vont venir faire quoi ici Mais ils n'ont qu'à venir. Pendant qu'il y a d'autres qui, qui, sont en chômage. Non. Mais c'est chez eux, non Quand tu viennent, tu vas chez toi là. Même si tu fais rien là, on va te prendre en charge. Mais pourquoi on ne les fait pas revenir Revenir dans quelles conditions Dans quelles conditions On n'a qu'à l'État qui a décidé de mettre fin à ça là. Les gens qu'on a envoyés là, qu'on les fasse revenir. D'abord, dans, les dans lesquelles elles, sont parties, ces personnes là, il faut créer les mêmes conditions pour les rapatrier. Au moins être dans sa famille, c'est quand même un bon signe. On sait que tu. Oui, je, de réclamer justice. Ah oui, ce que Jafar a dit, c'est très pertinent. Ces gens-là vraiment devront porter plainte pour traitement inhumain pour non-respect de leur engagement parce que c'est des contrats de travail qu'ils ont signés. elles n'ont pas été payées, ces femmes. Elles ont été abusées. Il y a des violations graves du droit de l'homme. Voilà, nous, chers auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou avec euh, comme invité Giafar Mamana de l'hebdomadaire L'Indépendant Plus, Hussein Issa, journaliste indépendant, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci à vous. merci Merci à vos invités et vous tous euh, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui nous parvient euh, grâce à vos radios partenaires. Rendez-vous samedi et dimanche de, 17h15 avec euh, Maman Ada pour le forum à Houssa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma. Ils nous parlerons des violences faites aux femmes au Niger. Merci, bon week-end, au revoir.